là taala wa barakatuhu manuel ngi leen nuyu ziar len jaajëfal peut-être que j'avais voulu faire euh, le live qui YouTube ak Facebook mais le Facebook j'ai un quelques soucis avec la page donc euh, voilà euh, on, se donne rendez-vous sur sur sur sur YouTube bi. Hmm? donc le temps nous bàyyi leen ngeen partage ensuite bon voilà donc après nous. parce qu'il faut que déjà nous clarifions. Il y a du balai-balai, il y a beaucoup de désinformation mais bon ça se comprend et on a l'habitude de le dire euh, que nous sommes proche euh, bon souvent moi, le quoi bon, voilà donc xam c'était pas tellement prévu mais bon on va essayer de faire avec Inch'Allah. voilà donc nous partageons quelques minutes euh, que les gens partagent le live après. voilà, donc. nous euh, kii nous di ziar euh, di nous bu voilà donc voilà nous les tout le monde voilà Nous ko rek partagé donc voilà donc parce que dafa am information yo xamni source A malheureusement cette information a été reprise par toute la presse bi nga presse réseau en ligne ay Sene News ay web et et 28 tout le monde reprend sans pour autant que les gens vérifient l'information et la bonne information et cela c'est désolant lu une presse et j'ai l'habitude de le dire des journalistes sérieux auraient vérifié l'information parce que dire qu'un président de tribunal de grande instance hors classe s'est trompé d'article et qu'il a dit mi moo wax nangam c'est juste quelque chose boo xam dañ ko jël bind ko teg ko ci place publique bi pour désinformer l'opinion mu nekk loo xamante ni ça passe et les gens le consomment parce que source a journal la maa ngi nuyu ñëpp Aïdi Bil Aïdi maa ngi lay nuyu Mansour maa ngi lay nuyu bu baax a baax ñu partager au maximum ñu informer ndooy defe naa mën nga ko dugal seen groupe boobu donc voilà donc ñu ñu partager parce que c'est-à-dire que c'est une mensonge il faut qu'on se qu'on se batte pour au moins se réunir pour relever le truc là voilà donc voilà donc ñu bàyyi quelques minutes nous partageons donc je euh, ñëw ak yeen ci li source a wax repris par Cene euh, Senenews Direct 28 Papis Lo maa ngi lay ziar Papis Lo depuis Mbour maa ngi lay ziar bu baax a baax voilà donc nuy nañ ñëpp ziar nañ ñëpp jaajëfal ñëpp voilà et on partage voilà on partage ensuite euh, Jacqueline maa ngi Mendy maa Abdoulaye bu voilà donc euh Tall maa Jar lay Jar donc pour me reprendre les ma ça wax c'est-à-dire que y a une information euh, dama que ko qui est là qui a été repris mo nek donc ils disent que le juge se trompe d'article sur la contumace et malheureusement, cette information a été reprise par bon nombre de journaux. Ici, on a Sénévert qui l'a repris. Et là, on a, on a aussi, euh, on a aussi, attention, on a aussi, euh, comment dirais-je, on a aussi Sénénews qui l'a repris. Ils ont repris pratiquement la même information refus d'acquiescement de Sonko, la grosse erreur du président du tribunal de Dakar. Ça, c'est Sénévem. C'est le news, affaire Ousmane Sonko, le juge se trompe d'article. Puis, direct 28 la Rome, affaire suite Baudi, le juge se trompe d'article sur la contumace. Nous, ils l'ont repris. Tout le monde. Et la source, bi nga xam ne ñoom lañ jëlee wax <coughs> source A journal boo xam ne est rédaction ñu contrôler ko directeur bi jaar ko vérifier ko mu dem nous ñu publier ko partager ko jox ko sénégalais yi fekk ay fen c'est des mensonges soit fen la wala ñàkk xam la wala ma tay la pour désinformer l'opinion de quoi il s'agit parce que au fait dire lañ la fois dernière que le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar dafa bind ordonnance mu notifier greffe bi neko lettre Bob Ousmane Sonko bind lii la nañ ko ci live te tuddé ko ak lettre lettre de non acquiescement génne ko sànnil mako ci ca xaj le président greffe bi lolou le président tribunal wax manam génne ko sànni ko la xara ci xaj parce que acte de non acquiescement amul ci code code de procédure pénale Qui nga ko adressé it existé parce que moom moo ko war a jël président tribunal bi reprendre li nga procureur indi l'article 307 du code de procédure pénale ñoom nee nañu ñoom source A ak ñëpp liñ bind et puis c'est désolant c'est désolant et c'est alarmant que des journalistes puissent reprendre cela sans pour autant qu'il vérifie réellement ce que dit le code de procédure pénale Moi, tax seeni lecteur je suis ñi leen lire parce que dañu leen di bindal loo xam ne amuñu ci benn xam-xam aucune connaissance aucune vérification et ce qu'ils ont écrit c'est la si je reprends euh, dans ce qu'il a écrit euh, liñ de mooy ba voilà voilà ce qu'ils ont écrit le président du tribunal de Dakar a demandé le retrait du greffe de sa juridiction du refus d'acquiescement de Ousmane Sonko à propos de sa condamnation dans le processus de body. Mais, en motivant son ordonnance, le magistrat se serait trompé d'extrait du code de procédure pénale. D'après Soussou A, qui vend la mèche dans son édition de ce mardi, ce dernier, à la place de l'article 341 pertinent,

article 307 bi mu bind mi bi mu indi modifier ko mom décision du mom la waroon indi parce que pertinent c'est l'article 341 ñii ñi ngi ci jamonoy cour d'assises ñom ñom journalistes yi article 341 amatul ci code de procédure pénale manam ça n'existe plus muy bi bu njëkk bi ma ma wax leen ko ni muy bu mujj bi nga xamanteni ni tuddu mu tudd sax ah, may ma ma bi muy bu bi bii amatul muy bu mujj bi nga xamanteni ne 2021 2022 la mu am code de procédure pénale bu bees bu ñoo bu ñu am révisé gis ngeen code de procédure pénale révisé moo nekk ni xam nga leer du code de procédure pénale amatul ça n'existe plus L'article 307, l'article article 341, dañ ko fondre ci article 307. Ah, l'article 341 attention l'article 341 mon article 341 du code de procédure pénale contenu fondu dans l'article 307 loi numéro 2016 38 novembre 2016 lii vous le vérifier Madame, tu dis le président de tribunal de juum tu cites un article qui ça n'existe plus obsolète y a le contenu confondu dans l'article 307 du code de procédure pénale Il ñaar a tous les deux Bonne ñëwee fi dans le nouveau code a bindal ni L'article 332 à 337 rédaction de la loi numéro 2014-28 du 3 novembre 2014, abrogée par la loi numéro 2016-30 du 8 novembre mon loi moi qui vous bu bees moo nekk gis lire je article 302 à 367 rédaction de la loi numéro 2014-30-28 du 3 novembre 2014 abrogé, mi par la loi numéro numéro 2016-30 du 4 novembre 2016 mon nek ça n'existe plus amatul et dans cette dans ce dans ce code de procédure pénale aussi bi nga xam bu l'article 341 mi